Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, il vient d'être 11h à Niamey et certainement dans toutes les localités du Niger. Où que vous soyez, nous vous disons bonjour et bienvenue dans ce troisième rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Ali Munkela Ouseni alias Seno et avec moi Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci. Et Seno, on n'oublie pas aussi de faire un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté du studio à la technique, c'est Issa Lawali et Adama Dawaki qui à l'édition alors c'est notre quoi pour nous ce matin Eh bien aujourd'hui Fanta, nous avons prévu euh, un flash d'information, une bonne dose de musique nigérienne comme d'habitude, au plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou. Toujours dans ce menu nous on aura comme invité du jour Abdel Rachid Sanda Maïga, celui qui se fait appeler Aladdin. Il est réalisateur, cinéaste et aussi influenceur. Et dans la rubrique hebdo on parlera environnement. Et direction Koni, région d'Ottawa, dans notre rubrique Écho des régions, où ce matin, notre correspondant nous propose un reportage sur le gaspillage fait lors des cérémonies dans la commune rurale de Bazaga. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure de divertissement et d'infos. Sans trop tarder, je vous propose... Le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Justement, nous. Mokhtar est avec nous dans ce studio. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta, bonjour euh, Seno. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin euh, le président de la République, euh, Bazoum Mohamed, a entamé une visite de travail de 48 heures hier à Bruxelles, en Belgique. Au menu de ce déplacement du chef de l'État, des entretiens avec plusieurs personnalités de la Commission de l'Union européenne pour le renforcement de l'axe Niamey-Bruxelles dans divers domaines d'intérêt commun. Dans un communiqué de presse rendu public hier, la Commission nationale des droits humains CNDH s'est dite affligée et a condamné fermement les atteintes graves aux droits de l'homme au Niger. Ce communiqué de presse fait suite aux récentes attaques terroristes euh, intervenues à Intagamé dans la région de Tilaberi et à Umba dans le département de Madarumfa, région de Maradi, ayant occasionné la mort de 12 personnes dont 10 militaires. Un mot de santé pour clore ce flash. Aujourd'hui 15 février, c'est le jour dédié au cancer des enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année dans le monde, c'est près de 400 000 enfants et adolescents chez qui on diagnostique un, cancer. La prévalence du cancer chez les enfants au Niger augmente et varie de 60 à 80 cas par an selon les autorités sanitaires. Les enfants atteints de cancer bénéficient d'une prise en charge gratuite à l'unité d'oncologie de l'hôpital national de Niamey. Voilà, c'est tout pour ce flash de ce euh, mercredi 15 février 2023 à Niamey. Merci beaucoup Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons Abdelrachid Sanda Maïga, celui que vous connaissez sûrement sous Aladin Maïga. Aladin, bonjour. Bonjour Fanta, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup Aladin, le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes réalisateur et cinéaste de formation. Vous êtes aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de cinéma. Mais avant, chers auditeurs, écoutons cette belle chanson romantique au rythme du Sahel de l'artiste Kader Tarhani. Il est en featuring avec Sidiki Diabaté. le désert sur mon chameau, ma chérie, ma chérie. De Tomoktu à Kidal jusqu'à Menaka. Ikadigné, Ikadigné, Ikadigné, je chanterai pour toi, ma chérie. Ikadigné, Ikadigné, Ikadigné, tu es la plus belle. Tahanine, Tahanine, Tahanin la plus belle sur le désert. Tahanine, la plus belle sur le désert. Tahanama, c'est كي توقم ترهنا متو لهدتا Tarhani, cher auditeur, c'est le titre de cette chanson que vous venez de savourer. Tarhani signifie mon amour en langue tamashek. Ce titre, depuis sa sortie en 2018, est fortement écouté par la population des pays du Sahel, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso, à cause de la qualité de son texte plein des mots d'amour, mais aussi de sa sonorité musicale caractérisée par une forte présence du son de la guitare. Fanta? Est-ce que tu aimes la guitare Bien sûr, c'est un j'adore. <laughs> Mais est-ce que tu sais que la guitare est l'un des instruments musicaux qu'on retrouve généralement dans la musique touareg D'ailleurs, les meilleurs joueurs de guitare au Niger, ce sont pour la plupart nos cousins du Nord. On leur fait un petit coucou. <laughs> Exactement, euh, un petit coucou à tous ceux qui sont euh, à l'écoute de l'autre côté du Niger. Et bien sûr, euh, dans la majorité des chansons touareg, on retrouve la guitare et l'imzad. C'est nous, l'imzad. C'est quoi ça encore <laughs> C'est une vieille monocorde traditionnelle de la musique berbère, notamment la musique touareg euh, nomade du Sahara. Il est fabriqué et pratiqué exclusivement, elle est fabriquée et pratiquée exclusivement par les femmes. En tout cas, nous, on a kiffé. <laughs> <laughs> ah ça, tu l'as dit, hein, Fanta. Après cette euh, pause musicale, chers auditeurs, il est l'heure pour nous hein, de nous entretenir avec notre invité du jour, Monsieur Abdourachid Sanda Mega, ou tout simplement Aladdin Mega. Aladdin, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je passe un beau moment avec vous. <laughs> Ah, le plaisir est partagé à la Je rappelle toujours que vous êtes euh, influenceur sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est ça Oui. Mais vous êtes aussi, avant tout, d'ailleurs, réalisateur et cinéaste. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de l'importance d'avoir un bon scénario en cinéma. Mais euh, d'abord, Aladin, dites-nous un peu. Un scénario, c'est quoi un scénario, euh, on va dire qu'un scénario, c'est un document filmique, c'est-à-dire un document qui te permet de savoir tout ce qui va se passer dans ton film, c'est-à-dire qui te permet d'écrire ton histoire du début jusqu'à la fin. C'est ça le scénario, c'est un ensemble de euh, séquenciers, de séquences qui permet au réalisateur, au producteur de savoir comment écrire une histoire, qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire et euh, comment tu vas raconter l'histoire. C'est ça en réalité le scénario. Eh, nous là, les novices, on comprend pas trop séquencier et <laughs> Je crois que nos auditeurs aussi ont besoin d'en savoir plus. Hein. C'est vrai, que le séquencier, les séquences, en fait, c'est une manière de... Vous savez, quand vous écrivez un roman, vous écrivez l'histoire, bonjour, moi je m'appelle telle personne, j'ai fait ceci, j'ai quitté le matin le, chez moi, je suis allé à la maison et j'ai mangé, je me suis lavé, j'ai quitté la maison, je suis venu au studio Kalangu. D'accord Ça, je raconte une histoire simple. Mhm. Mais maintenant, si je dois raconter ça en euh, sous forme de scénario, d'accord Je dois séquencer ça. Séquencer, ça veut dire les petites séquences qui forment l'histoire. Par exemple, quand je me lève le matin, je dis je me suis levé le matin, j'écris séquence numéro un. Ça veut dire que ça se passe dans un espace ah. donné et dans un lien donné. D'accord C'est ça la séquence. Donc, je me suis levé le matin, intérieur, jour, temps. Je dis où ça se passe, c'est-à-dire intérieur, jour, intérieur. Ça, c'est la façon chambre. Dont, doit, dont on doit être structuré en scénario, c'est ça Non, ça, c'est le séquencier. C'est la séquence, en fait. Tu dis la séquence où ça se trouve, où ça se passe, le temps. Et ensuite, tu dis, je dis, euh, intérieur jour chez Aladdin. Mm. D'accord Donc tout le monde sait là où ça va se faire. Donc au lieu de raconter l'histoire, non, j'ai dit où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe. Et c'est ça la séquence, la première séquence de mon film. Ok, et quelle est alors la structure d'un scénario La structure d'un scénario, en fait, quand tu écris un scénario, c'est à plusieurs niveaux. D'accord Il faut qu'il y ait des courbes de tension. Il y a d'abord un, la présentation, c'est-à-dire que il faut que quand vous regardez un film au début, vous montrez les gens sont tranquilles, tout va bien, vous présentez les gens, là c'est ça la présentation, qui sera le héros, qui sera le euh, l'antagoniste, tu regardes les gens, les gens dans leur environnement. Après, il y aura le l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur qui permet au, à ton acteur principal de rentrer dans ton film. Donc c'est la première courbe, c'est le premier problème qui va se faire dans le film, d'accord Donc, il faut que tu arrives à, donner un Et il faut ça obligatoirement. Il faut ça. Si tu n'as pas de problème, il n'y a pas de film parce que ah. il faut. <laughs> <laughs> parce que la courbe de tension, la courbe de, tension dépend de ton euh, de, ton élément déclencheur. Quel problème il y a Parce que les héros, mhm. ton héros doit tendre vers quelque chose et tu dois faire en sorte que ton public va vers quelque chose. Il quitte un point A pour un point B. Maintenant, pour déclencher ce mouvement-là, il faut un élément déclencheur et c'est ça le problème du film. Je te donne juste un exemple. Euh, tu es là au studio Kalangu, tu viens, tu es couché, tu, es, eh, tu es pas <laughs> couché, euh, excuse-moi. Je suis au studio avec toi, là. Ah, tu viens au studio, tu es assis, tu es en train d'écrire euh, un article. Donc tu es là, tu es en train d'écrire un article et puis on vient t'annoncer que ah Fanta aujourd'hui c'est toi qui présente la Médina ou bien demain c'est toi qui présente la Médina. Donc là automatiquement ça enclenche beaucoup de choses. Tu dois prendre, te renseigner, appeler telle personne, appeler telle personne pour que dans trois quatre jours tu puisses bien présenter la Médina et c'est ça l'élément déclencheur. Après l'élément déclencheur, nous avons les courbes de tension, c'est-à-dire les petits problèmes que rencontrent les héros dans son film. Ok, les petits problèmes que rencontrent les héros dans son film, c'est-à-dire que chaque fois dans le film, il y a avoir un petit problème et que le héros va résoudre. Ensuite, après, euh, les, les, il y aura les, comment on appelle ça, le climax qui est, c'est-à-dire le droit le plus élevé, c'est-à-dire quand le héros rencontre le, le chef de bandits, va là, le plus gros des <laughs> soucis. et quand il finit de régler ça, il y a le, euh, la résolution du problème et c'est ça les, composants de ton film. Merci beaucoup, Aladdin. Ne bougez surtout pas. Hein. Nous allons souffler un peu avec de la musique et on revient à vous juste après. C'est nous. Oui. <laughs> que de la bonne musique pour vous, Fanta. On écoute bien une chanson signée Eman Kaya. tutar gabas da yamma sai dai biyanu haka ne ya kasance muso mu taka rawa ta gato ya ke bi kamar hakan zan mu sha sariya biyanu ya ke bi kamar hakan zan mu taka rawa biyanu ya ke bi kamar hakan zan mu taka rawa ta gato gare ka ta kudu alasassa ni wajen jesta yin taka rawa moi je porte des goûts c'est cassé sans balais on est tous à l'aise da shi zo mu she ku shefa mu she ka ina ka gaban ka kamata ka sa ka ina alban ka gaban ka kamata ka sa alban ka ina tukuni su ka dar ga kura daga mashi kai da dar mata mu she tun ta kai ka daga ka ashe fa mu she zariya zariya zariya zariya Seria, seria, seria. La fête c'est bien, se passe comme ça. Seria, seria, seria. La fête c'est bien, la fête de l'année pour l'année des années. Ça c'est pas chaque année de l'année, ça c'est pas chaque année. Chaque année, quand je casse de masse. Kai yaro kazo zo mu taka rawa dan ya kasance mu zo mu taka rawa biyano. Kai yaro ka zo seria dan biyano. Haka ya kasance mu zo mu sha seria biyano. Ga tutar gabas da yamma sai dai haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado yake yi buka mana akan zan mu sha sai ya biya yake yi buka mana akan zan mu taka rawa biya yake yi buka mana akan zan mu taka rawa ta gado Chers auditeurs, à l'instant, c'était le morceau Bianou, chanté par le groupe Eman Kaya, un groupe de jeunes rappeurs nigérians de la région d'Aïr. Dans ces morceaux, sinon le groupe Eman Kaya décrit à juste titre comment la fête dit bien nous est célébrée chaque année dans la région d'Agadez. Ils, décrivent surtout hein, les différentes festivités qui animent cette fête, notamment le style vestimentaire traditionnel propre à la culture touareg, les rimes musicaux sur lesquels danse la population à longueur de journée et même à la nuit tombée, les différentes partages de joie dans un climat de cohésion et de pure un patrimoine culturel qui mérite d'être sauvegardé. C'est nous. Tu sais que ce sont les cousins à plaisanterie de notre invité Aladin. Ah. En tout cas, on l'a vu kiffer tout à l'heure. Aladin, <laughs> je suis sûr que vous aimez cette chanson. Ah, j'adore. Moi, je suis un amoureux de la culture touareg, donc <laughs> j'adore les chansons touareg. Super, super. Alors, nous allons continuer avec nos questions, Aladin. Euh, Aladdin. Alors, par exemple, pour un court métrage de 13 minutes, combien de temps pourrait prendre l'écriture du scénario vous savez, écriture du scénario, ça prend du temps. Ça dépend de la personne, de l'inspiration de la personne, de ce que la personne cherche. D'accord Donc, on n'a pas un temps fixe pour dire Ah, j'ai écrit. Quand tu écris le court métrage en deux jours, trois jours, ça ne mhm. veut pas dire que tu as bien fait. Quand tu écris le court métrage en un mois, deux mois, trois mois, ça ne veut pas dire que c'est très bien fait. Donc, tout dépend de ton inspiration, de ce que tu cherches, de comment tu veux présenter le film, quand tu veux réaliser le film, qu'est-ce que tu veux mettre dans le film, tes recherches documentaires que tu dois faire. Donc, il n'y a pas de temps fixe, mais je sais que moi, je pense que euh, il faut faire vraiment, c'est faire beaucoup de recherches mhm. et travailler petit à petit à construire ton film pour que tu aies un très bon film et pas une histoire mal construite ou bien une histoire construite à la va-vite. Uh-huh. Et euh, combien on peut gagner un scénario Est-ce que ça paye d'être scénariste <laughs> <laughs> Bon, pour un pays comme le Niger, on va dire ça va, ça va pas. <laughs> non, c'est raison. pourquoi Parce que euh, être scénariste, c'est pas comme si on produit, par exemple, l'année, euh, durant l'année 2022, mhm. nous avons au maximum, au Niger, dans tous les pays, nous avons au maximum une production de 4 ou 5 longs métrages. Peut-être il y a des courts-métrages et tout. Donc maintenant, et le plus souvent, c'est qu'on a le problème chez nous, c'est que c'est les réalisateurs qui écrivent leurs films, leurs scénarios. Donc, donc si toi tu es scénariste, le plus souvent tu as des contrats, mais c'est des Petit contrat avec les ONG, avec des, des, personnes, des réalisateurs qui veulent faire le film et qui ne savent pas écrire, Ils qui peuvent commander avec toi. Mais donc, on va dire entre 150 000, 200 000, 300 000, 400 000. Ça dépend de qui commande et de ce qu'il y a dans le scénario, ce que le scénario demande. Parce que tu dois voyager euh, au fond d'Agadez pour aller chercher des informations pour pouvoir écrire ton film, c'est clair que ça va coûter un peu plus cher. Mhm. Donc, s'il n'y a pas de prix fixe, mais voilà. Mais vous, actuellement, est-ce que vous êtes euh, sur un projet de film, là, en ce moment Oui, bien sûr. Moi, je suis réalisateur, donc je suis constamment sur des projets de films. Récemment, je suis sur l'écriture d'une série qui s'appelle Le chef du quartier. C'est une <laughs> série comique que j'écris. un peu comme les chroniques que vous partagez sur Facebook. Exactement, <laughs> exactement. Donc, Le chef du quartier, c'est une série de 26 minutes euh, l'épisode. Actuellement, j'ai écrit jusqu'à 200, 200, environ 200, plus de 200 épisodes. Mais Mais c'est pas fini. Je suis toujours dans l'écriture. Chaque jour, j'essaie d'écrire des résumés afin, après, je, je j'entame l'écriture du scénario. Et quels sont les sujets que vous vous évoquez le plus souvent Oui, c'est c'est des sujets de société pris dans un ton comique. C'est-à-dire que dans chaque scénario, il y a quelque chose d'un problème social ou euh, que je que j'expose mais sous forme comique de façon à ce que le message puisse passer dans la gaieté dans le euh, comment on appelle ça dans la gaieté et ça puisse passer façon je veux pas indexer quelqu'un quelqu'un fait ceci fait cela non mais je veux passer mon message par exemple on, parle de, de mariage on parle de de la condition de la femme on parle de la protection des enfants mais tout ça dans un ton comique euh, avec un chef de quartier qui se retrouve dans un problème que lui-même il ne sait pas d'où ça vient et ça tombe sur lui comme ça et puis le chef de quartier est dans un problème. <laughs> ça se termine toujours comme ça. Le chef de quartier est dans un problème. <laughs> On espère vraiment voir ces films très bientôt sur nos écrans. Aladdin, nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. On vous dit merci et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir de passer sur votre plateau. Merci beaucoup, Aladdin, de nous avoir honoré de votre présence. Bonne journée à vous. C'est nous à présent, on passe à notre rubrique hebdomadaire. C'est mercredi et aujourd'hui, on parle environnement, n'est-ce pas Oui, Fanta, nous allons à la découverte d'une ferme sémencière de Niamey créée par des jeunes euh, dans le souci euh, d'adapter l'agriculture euh, aux réalités du Sahel et aussi de contribuer à la sécurité alimentaire au Niger. Ils produisent des semences et autres intrants qu'ils vendent aux paysans. Et c'est une initiative qui a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires du domaine. Le reportage est signé à Nashina. Au quartier cité Olani, dans le 4e arrondissement communal de Niamey, des jeunes réunis en coopérative exploitent depuis près de trois ans une ferme agroécologique. Les principales activités sur cet espace de plus de 1300 m2 sont la production et l'expérimentation des entrants locaux et la formation agrotechnique des paysans. Boubacar Jibo, le responsable de la ferme, explique. Il s'agit donc des semences, notamment les semences euh, maraîchères, parce que euh, nous sommes dans un contexte sahélien et donc, compte tenu du fait que l'eau, notamment sa disponibilité, pose beaucoup de problèmes, euh, le pays ou disons les producteurs se tournent vers la production maraîchère, donc en contre-saison. Et justement, euh, nous, on travaille pour développer des écotypes euh, locaux beaucoup plus adaptés donc aux réalités sahéliennes. Donc, euh, j'expose le problème encore une fois de l'eau et de la qualité des sols. Pour répondre effectivement à la production euh, agricole de manière générale, on expérimente également des engrais, des engrais solides, des engrais liquides, euh, faits à base donc de produits euh, locaux qui sont, si vous voulez, euh, des résidus de culture, euh, voilà, mm, du fumier animal ou bien d'autres produits euh, très accessibles à, dans notre écosystème. Et on formule ces intrants pour pouvoir effectivement euh, montrer qu'il est possible en réalité de d'autoproduire ces engrais, d'autoproduire ces semences pour des questions effectivement de souveraineté alimentaire, pour des questions également euh, de sécurité alimentaire, pour des questions également de développement agricole dans, euh, une perspective socio-économique, j'allais dire. Les productions de cette ferme sont la tomate, le poivron, la laitue et la carotte. Elles sont vendues aux paysans et les échos sont favorables, déclare Boubacar Jibou. Oui, vraiment, par rapport aux, ingrédients et, notamment euh, le brocashi qu'on est en train de, promouvoir, en tout cas ces deux dernières années. on a une capacité euh, d'écoulement euh, très très appréciable. Et deuxième chose, on a toujours des retours, vu qu'on a des groupes WhatsApp ou une page Facebook sur lesquels en réalité on échange avec les producteurs. Et on a toujours des, retours, des demandes et parfois ce n'est pas facile effectivement de, de satisfaire euh, tout le monde. Donc on d'ailleurs c'est pour ça qu'on est en train de pouvoir, c'est ça qui nous motive à, continuer cette dynamique parce que on sent que ce qu'on est en train de faire, euh, ça apporte de la valeur, ça crée de l'impact et que les communautés en en ont besoin et que euh, nous, on a la chance d'avoir cette petite compréhension et cette petite capacité pour essayer de mettre des choses ensemble pour aboutir à, à voilà, un produit qui répond à certaines qualités. Ces jeunes sont soutenus dans cette initiative par plusieurs partenaires, parmi lesquels l'ambassade de France, qui a effectué une visite terrain pour s'inquérir de l'évolution des activités. Amandine Vatinet, la responsable de l'espace société civile à l'ambassade de France. Dans le cadre du fonds PISCA, du coup un dispositif de l'ambassade de France, euh, l'espace société civile accompagne euh, les porteurs de projets qui bénéficient de ce fonds. Donc euh, à la phase du coup de présélection et après. Et euh, là, c'était l'occasion du coup de, suivre un petit peu sur le terrain. Donc l'idée, c'est de venir voir les autres activités de l'association pour mieux saisir euh, l'association dans son dans son cœur de métier au dehors du projet qu'on accompagne. Et donc euh, aujourd'hui, c'était l'occasion de visiter, d'accompagner aussi l'ambassade pour qu'elle rencontre l'équipe projet, qu'elle rencontre aussi l'administration, mais aussi un petit peu ce qui se fait à côté du projet du coup. Ça humanise énormément les projets parce que bah, quand on est dans un bureau, qu'on accompagne, on voit rarement ce qui se passe clairement sur le terrain. Donc là, ça permet de sortir du cadre de discussion très formelle, euh, d'un cadre logique, d'un projet, et de discuter un petit peu plus des convictions qui animent les porteurs de projets, de mieux comprendre leur vision au-delà du projet euh, PISCA ou du financement et de comprendre un petit peu d'où ils viennent, avec qui ils travaillent et quelle est leur vision. Parce que euh, les associations, quand on les accompagne, on a tendance à les laisser euh, sur un seul projet, alors qu'en fait euh, le projet est une composante de beaucoup d'autres choses. Et donc là, c'est un petit peu l'occasion d'approfondir les liens et de rendre le processus beaucoup plus humain. Ils sont au total 12 jeunes à travailler dans cette ferme. Ils souhaitent obtenir le soutien du politique afin qu'ils puissent mieux contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fatin, il est temps pour nous euh, de faire voyager nos auditeurs Fanta, tu nous amènes où ce matin Aujourd'hui, c'est nous. Nous allons faire un tour dans la commune rurale de Bazaga, dans le département de Koni, région Tawa. Dans ce reportage, notre correspondant Asuman Moussa Arzika nous parle des gaspillages lors des cérémonies de réjouissance comme les mariages et les baptêmes. En effet, Fanta, certaines personnes font des dépenses ostentatoires, souvent à coût des millions, ce qui a attirer l'attention des autorités et des religieux qui tirent hein, la sonnette d'alarme et appellent à plus de raisons. On l'écoute. Les gaspillages sont fréquents dans nos villes et villages, notamment dans les cérémonies telles que les mariages, baptêmes et parfois même lors des décès. En 2018, pour mettre fin à cette pratique, les autorités de la région de Tawa ont pris des mesures interdisant certaines dépenses ostentatoires pendant des cérémonies dans la commune rurale de Bagaza, département de Konni, malgré l'existence de ces mesures, la pratique persiste. Le maire, Manu Ibrahim, attire l'attention des habitants. Le gaspillage pendant les cérémonies, que ce soit mariage ou baptême, devenu un phénomène qui est en train de gagner du terrain, et en tout cas dans notre commune. Il y a eu plusieurs initiatives pour appeler les populations à plus de raisons, mais ça n'a pas abouti parce que aujourd'hui les cérémonies de mariage et donnent lieu à, des gaspillages énormes des vivres et des biens. Nous, l'appel que nous avons à lancer en direction vraiment de ces populations, c'est vraiment d'être plus raisonnable il est vrai, c'est des, occasions de joie, mais il n'est pas dit que pour manifester une joie, il faut toujours respirer. Aujourd'hui, euh, vous le voyez, l'occasion des mariages, que ce soit ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens, tout le monde a tendance à faire le maximum. Certains vont jusqu'à contacter des crédits pour ces cérémonies-là, ce qui n'est pas du tout bon. Les avis sont divergents sur ces mesures sociales tandis que certains responsables de famille estiment que c'est une bonne chose. D'autres, par contre, pensent que les dépenses sont obligatoires pour une bonne réussite des cérémonies des mariages et baptêmes. mun dai dokar da an kai ta hana walima gaskiya mun ji daɗi saboda yanzu mu iyaye mata muna wahala mace in ta aihu sai an yi walima an yi kashen kai an te an kai gidan miji sannan mace ya ko kaya an ka mata sai an yi kashen kai guraye na ori ba robobi kaka so babu abin da ba a kwasa a kai gidan miji je pense bien que ce n'est que des gâchis lors de ces cérémonies là car il n'est pas rare de trouver des gens qui s'adonnent vraiment à des choses qui dépassent l'entendement humain surtout en cette période de soudure j'en appelle vraiment la prise de conscience collective pour qu'on mette fin à ces pratiques lors de ces cérémonies de mariage les dépenses ostentatoires là en attendant que tous adhèrent à cette décision des autorités de la région Tawa, chacun de son côté reste sur sa position. Très beau reportage de notre correspondant Asumana Moussa Arzika, hein, rendu au studio euh, par euh, Salamatu Kadiri. Un sujet hein, qui est d'actualité, n'est-ce pas, Fanta Bien sûr, c'est nous. Mais euh, attends un peu, on nous signale que Asuman Moussa Ardika est en ligne, hein, prêt à nous donner plus de détails sur ses reportages. Asuman a de Dama. Ah, de Dama, là. Ina lafiya ya kwanni. <laughs> Ah, to yanzu muka yi da sauraron rahoton nan naka akan banna ko kuma in ce almubazzaranci da al'umma ke yi a lokacin bukukuwa. Eh. kun mun san ka taba ma sauraron mu da dama inda yake musu kaikai don wannan jigo ne wanda yake ci mutane tuwo a ƙwarya sosai. Eh, gaskiya ne. Na ce to ko ya al'umma ta hannu tun an ce tun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ne aka aza wannan dokar. Eh, to lalle tun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas aka sa wannan dokar a do faɗin gundumar birnin kwanni. Sai dai mutane Eh, ba su bi wannan dokar ba kamar yadda ya kamata eh, shi yasa dokar aka yi waci da ita mm. to yanzu kakane halin kwanni akan yanayin bukukuwa to yanayin bukukuwa dai suna ci gaba da gudana eh, tare da waci da wannan dokar saboda ana ta almabazaranci da cimaka a ko'ina lokacin da aka yi bukukuwa sai a kashe kudade waɗanda eh, a wata ma idan ka eh, idan abin da za a kashe ga ɗaya rana ga wata ma baka ya canye ga wata ma baka canye shi kamar sumi da ne mutane ke yi wanda yake nuna lalle ana almubazzaranci ne to alal misali wani lokaci mutane sukan eh, sai bukukuwa na shinkafa suna ta dafa suna ta toye-toyen kwanke da sauran abubuwa makamanta haka da yanke-yanken shi wani wuri sai ga a yanke kawai bisa goma zuwa sama da haka eh, duka don a kai gidan miji ko ko a kai wuraren da ake bukukuwa. Na ce Asuman yanzu haka kana biskan wani sabon rahoto ne wanda kake son ka bamu? Nan eh, zuwa gaba? Eh. eh to insha Allah ina son in shirya muku wani rahoto a gaba ashira <laughs> mun gode sosai Asman aha to mun gode sosai insha Allah na gode kwarai Fanta, on passe à présent au sport. T'es prête Bien sûr, Seno, je suis prête tout comme notre chroniqueur sportif Soumana Amadou qui se trouve actuellement à nos côtés dans ce studio. Soumana, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline sportive favorite des Nigériennes. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la lutte traditionnelle. Eh oui, Fanta, nous allons partir en région, plus précisément à Zender, où un tournoi est organisé pour euh, sélectionner des talents. Alors, euh, Soumana, pourquoi hum, euh, cette décision hein, tombe-t-elle tout juste à la sortie hein, de ce championnat national Selon les dirigeants de la Ligue régionale du, de la lutte, à la 43e édition du sabre national qui s'est déroulée à Difa il y a quelques semaines, l'équipe régionale n'a pas eu un bon résultat, alors que dans les années antérieures, la région des Zender était parmi les meilleures et a remporté neuf fois le sabre national entre 1975 et 2018. Neuf fois, Soumana, c'est vraiment énorme, n'est-ce pas Eh oui, c'est pourquoi les dirigeants ont pris le devant en organisant ce tournoi pour détecter de meilleurs lutteurs pour en représenter leur région aux compétitions prochaines. Et c'est la ville de Bandé qui a servi de cadre pour euh, ce tournoi qui a débuté ce week-end Fanta. Mhm. Notre reporter était sur place, Maki Ouseni, et il s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue régionale de lutte Traditionnel, Il s'appelle Djamil Bakana pour plus de précisions. Nous avons organisé ces festivités juste pour réveiller la population, pour tisser les liens de parenté, mais aussi profiter pour dénicher les talents qui sont dans les endroits reculés, les faire découvrir, pour mieux se préparer. Pour nous, c'est vraiment pas une bonne chose. Quand on parle de la lutte, on ne fait pas allusion à Bandi, alors que la région des Andes regorge plus des lutteurs renommés. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu un lutteur reconnu de Bandi. C'est pour cette raison qu'on a organisé ces compétitions pour essayer de trouver les lutteurs eh bien, il faut noter aussi, Fanta, que ce tournoi durera plusieurs jours et a regroupé des nouveaux et anciens lutteurs venus de tous les coins de la région des Indères. Eh bien, que le meilleur gagne, Soumana. Merci beaucoup hein, pour toutes ces informations sportives. Merci à vous. Sinon, euh, on passe maintenant au portrait du jour. Hein on ira à Douti dans la région de Dosso à la rencontre des Ado Mekalangu, un joueur de tam-tam. <laughs> un héritage qu'il porte fièrement selon ce reportage signé Habibou Garba. 28 ans, marié et père de deux enfants, Ado Mekalangu est un jeune joueur de tam-tam très célèbre dans la ville de Dogandouchi, région de Dosso. Un instrument de musique traditionnelle qu'il joue à l'occasion des cérémonies de mariage et baptême. Ado est aussi la radio des zones reculées, car le tam-tam est un outil de communication traditionnel. C'est à l'âge de 10 ans qu'il a commencé à jouer les kalangu. Aujourd'hui, il initie ses deux enfants à jouer l'instrument qu'il a également hérité de son père Seini Mekalangou. Vraiment, les Kalangu, c'est toute ma vie. Tu as compris Je suis fier de ce métier. J'ai commencé depuis mes 10 ans. Je l'ai hérité de mon père et lui-même l'a hérité de son grand-père. J'ai des enfants et je suis en train de les initier à apprendre cet instrument. Justement, c'est dans ce métier qu'il tire son épingle d'IG. Il peut gagner par moment jusqu'à 80 000 francs CFA. Il y a des jours où je peux gagner jusqu'à 80 000 francs. Il y a encore des moments où vraiment ça ne va pas. C'est un peu compliqué comme tu le sais. Un jour ça va, un autre jour euh, pas du tout. Les gens apprécient beaucoup vraiment. Eh oui, le son du Kalangu est bien aimé à Doganduchi et Ado a cette force de tenir le public en haleine particulièrement les filles. C'est pourquoi aujourd'hui, il est rare d'assister à une cérémonie sans apercevoir Adome Kalongo Aisha Ibrahim je suis heureuse de, lui entendre ce qu'il est en train de taper, les clangous. On est dans le même quartier. Très bien même, puisque maintenant si on fait le mariage, on les invite pour venir faire ça. On les paye pour passer l'information aussi. Les jeunes ados font partie des jeunes conservateurs de la tradition de l'Arewa. Dans les grandes villes du Niger, par contre, il est rare de rencontrer des jeunes qui s'intéressent au kalangu. Fanta, après ce reportage, je te propose de danser, mais pas qu'au son du kalangu. <laughs> On danse sur quoi alors, c'est nous Sur Bédoudou du groupe Soga. Eh oui, chers auditeurs, euh, il s'agit là de Beidoud, une chanson composée par le groupe Soga, un groupe qui met de l'ambiance au Niger depuis sa création en 2004. C'est aussi un groupe musical néo-traditionnel qui associe des instruments traditionnels et modernes dans sa musique. Eh oui, c'est nos trois chanteuses, Fatih Halidou ou Fatih Soga, Aïchatou Ali Soumaïla connue sous Aïchatou Nkwali et Nana Malam Garba, accompagnés de leurs cinq musiciens, subliment le patrimoine traditionnel musical nigérien. Soga chante dans toutes les langues et décline tous les styles musicaux que connaît le pays. Incontestable ambassadrice de la culture nigérienne, elle remplissent à merveille leur office dans la sous-région et même dans les autres pays du monde. Ah, on dira bon vent à oh. ce groupe Soga. En tout cas, <laughs> on a kiffé. <laughs> Alors, Fanta, après cette pause musicale, on passe au loti. Oui, c'est nous. Aujourd'hui, cette rubrique sous forme de sketch que nous proposent les femmes du studio Kalangu nous de l'intérêt de respecter la codification inscrite lors des programmes télé afin de protéger les enfants et aussi les âmes sensibles. Ah oui, Fanta, car aujourd'hui, euh, le passe-temps favori des enfants, en tout cas ceux qui y sont accès, c'est la télévision. Ils sont parfois exposés à des programmes violents ou inadaptés hein, à leur âge. On les écoute. samira tela din wese wasi wasi eni mil ka ba funa din kul tela ganda noni gate chini zari sifunu wat kul tele gunya ir ko se awasa salamu alaikum hey mamu bani kan go so bai kat ko ciyo ga yakini ay go hal window me ay go ga manisi wal bai na ga bogai sai non go sala ay duwano buli zan kai wo dai no ba ga ya lomoro jajandi hai kunni si ga hansak window ra kal tele gunya ba dai bora mutun ga kagun wari keke han foyan bora stun television wo maga gundai yi kwara samira haika ma nigi ne mu zugantaize ka daini mu su zamani zan kai wani singi gangi tele yan fa to me ba ni ga ba ni mi don ton buti kodo hadde man tun tungu ko ga tele ko mon do ka ikan bayrano wannim tela wi dai kota kota isi ma ni se ha ya dinga mamu nim da bari bar mai zam tele gunyan wo da ba gumo a hinga kan di sandai bo ga han bano do haga son ka binde zan kai wani bafuna do hari ha babuli ya dinga ni ko faman dai sai kage inga bora lutandi wala ma danandi ni lakkalo kanandi mamu dan matkan be gai ko nayi won ki dafa agihinga kande sandai iwan bafuna do haga sonka binde china do haga da mozan kai lakkalai do haga kan yamman to jiri hinza ifo no ni gogo faman da sai koi ne mahanga na bo koi mamu furta jai do haga wu nigidi tela gunyan odin da bagumu agi kabun in poi inga chalega wa to kulinga hinne isi ba fa ka gai modin gai wan haigaye matka gi himanda da mo koi iwan chawo isati ambuge inga wa haikan nisa daigati tela din gunyan yan oho niga bobuli buli yi kwara samira da cat hal composition wajen ga aga bisa ai go gai bon habon bo hay kan doko tuyo ha ni woni bono ni izo dan tele guniyan yaki ni ni ma ga cinga fa kare dano wani mo mana am ko a wan chal wan diedo im cinga fore so ni go fa man dai se kan ya dinga wani masal ban batano ai kan me kalba television wadi no ganan am furcha lai jine zama han fuan da ka ginga faransi ci na ga faransi ci bata ban bata fuan ta se ai wo ai se ba fa mai ka ga na se han foya a dai kan son woni ni bai dini bombumbo da ni ga da bar samu wasi ai wa hanfoyan ai kwara na telawi wan izo ismail a kafurai sai fura da futai da katikatiyan haikan sai na telawi abin da lokacin kina a kaksa da kan a wani hasai lokacin fugai kwara ga dai nuna ino ya marya matkai himagati abin da son aizan kai dai walla alhamdulillah shi igin gai furai te haifai mstugin sai chogo ido nuga bagai wana kobai vitare bugu da baliyan <laughs> de mataloni te faman dai sai me buli he son kulloni ha ya hanu te ni bonsi han ni gina ni izai mu kaso bai gugu ti duba ga hamzin gen diyan nan gu kwande hadda a aga bisa ibo ngai ga fer gu tonto iga ba bano mu guburi son daboro kul ni se ingono ni go ga faida im diga kata kata ibon se yakin cine han fo kalai bino mu koi kai patigi funga kan ai mu buyi mu koi ga sambu furu de son ai kwar samira wa ga hanga nai se mu a ya dinga mamu ka deni min zaka hau buri har dai duk ciya man to jiri hinza masta am tele guni. ba a to mo jiri ka a himga tela guni. ma bai si jir kan a himga gun tela ga da mo lokaci kan a himga dan si jiro gun yan oga danga dai am si bisa gugu ka yan cinno ya nimcin ga lakkal da mu ga gun gadi tela ganda ni kan buwa do haka zami ga dan jiri mar kan mo ga himga si jiga din gune amma ban kwai ne din si ba mu am si jir fo gune gi hinga kwadi da ga kan ga na am sa gune wankan sigine control parental noya ah buli wo kan ga hantum ganda kan go kurkuto da raki gadan bore kan manto jiru wai go koi jiru wai cin hinka filmai ganda ai mu go kai bon haifo sai ni go gadan ai si bai me haifo bore kan yan manto jiru wakin idu da jiru wakin da haku boda i wanai gono amma da halka son i manto wadin gabo aha son nai faham buli son dai faham gaba internet to bumbo ai go hinga su bana se hai ka ga hinga te abu abun wala son kunno ni fahammamu to ai man ne wo kai samira a ga targa yarda amma dai nimsta dai a min wani kwasa din dangin mu dabal he buli ni nai do fa ba zahun kuna inga nai ce ciga masalawo banza ai sihin walla ai zai mu kai tai sai ga yin do. a to a ga bisa Chers auditeurs, euh, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Al-Hassan Abdou Mahaman. Il est le rédacteur en chef euh, ici même au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie l'expression résilience. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la rubrique culture linguistique. Al-Hassan, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour euh, Sénon. Bonjour. Heureux de vous retrouver hein, dans cette édition du Niger sur Kalangu. Alassane, que signifie le mot résilience euh, je vous remercie d'abord pour euh, cette émission et surtout pour euh, donner plus la chance à nos acteurs, à nos artistes, à, tout le monde d'être quand même invité, écouté et surtout, surtout, surtout parler de leur activité à travers votre émission. Pour revenir, euh, c'est le Niger sur le Niger sur Kalangu. <laughs> donc c'est pour tout le monde et il n'y a pas de d'injustice, il n'y a pas de. C'est pour tout le monde. arrêtons ça comme ça, c'est pour tout le monde et nous pensons que les gens auront la chance aussi de répondre à nos invitations et de passer dans cette émission là. Pour revenir à notre culture linguistique, la résilience. Nous avons très bien expliqué que la résilience, il s'agit d'une qualité ou d'un trait de caractère qui permet à une personne de savoir résister aux chocs désagréables ou traumatiques, en vue de retrouver son équilibre et de poursuivre son chemin. Les personnes résilientes au travail savent mieux faire face aux problèmes et aux difficultés professionnelles, au sens large et en particulier pour ce qui concerne les sciences humaines, on peut considérer la résilience en tant que capacité pour un système donné de surmonter les altérations provoquées par un ou des éléments perturbateurs pour retrouver son état initial et ou un fonctionnement Normal. Alassane, vous avez aussi prévu l'explication de ces mots en langue zarma. Oui, euh, fanta matakaini kidade harkangeten sar sanira irne hunkuna sanizo kambor kaga salambore se mantakala kababariyan de ti resilience resilience wadir no dar ko gon kadi kokor bando hankan sanizo woni bore famin dagumo mantakala Anema ma barbariyan kan kabore bon wakase an sare gine changement climatique Noya. Forokan, foro harkangeti boko zongon nugu batma kan kogu zani zo zani hama wata ibne kan bonguno bangara ate isa haifu misiyan dana gogo te kan gubura kudi dobo ta yare te sorka yan sorka te popor hansi ko yan manson emo te sudar yan hari wani yan wo ifo no kanda wani an kan kanda mantikala bore sinkin ga kabugo te matkan no igbara da zama har kaga garu matni gite kan gudu kini min miyayyana gisani gito kasinan eh, ansar kin ga resilience ya niga kaba babbar yanno kan gudu kuna ina da mizi kan go misifora kan misadini kun harfuka ka ganji am ka babbar ka afomoti Merci beaucoup Alassane pour ce déclassement sur le mot résilience Irsabu Gumgumo. <laughs> Chers auditeurs, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Après cette pause, nous allons retrouver les auditeurs du studio Kalangu, n'est-ce pas, c'est nous Oui, Fanta, car ils sont nombreux à aimer ce que nous faisons. Ils disent un grand merci au studio Kalangu de les tenir au parfum de tout ce qui se passe au Niger et même ailleurs. On les écoute. Ni suna na Walima Ahmadu a nan garin gegima Ni mai sauraron Kalangu. Ni gaskiya Kalangu suna birge mu yanda mutum baya zaton shi akan shirye-shiryen da suke. Shirye-shiryen da suka yi burge mu kamar shirin mata da yara, al'adu kuma da motsa jiki, da kuma ilimi da kiwon lahiya, da tsaro da tattalin arziki. Muna kira su ci gaba da yi Allah ya saka musu. Sunana Mamman Umaru, amma da yawa suka sani sun yi sani na da sunan tsoho. Don kwani tayar ne ina cikin village artisanal nan cikin garin da kwarar insha Allah. Eh, don studio Kalangu muna biye da su sau da kafa forum de jeune da sauransu duka emission wannan muna sauraron surtu akwai wata tana nan in ekip la de deux akwai wanda suke cewa gora ta gora ta wannan emission kin tasu ina shin dadin ta insha Allah. Don ina son yi profite in gaida Ni ne baban Dumaman Bande. To ni dai ma'abucin sauraren kalangu ne a kan tashar Ikirawa. To amma kuma ni ina so in dan yi wani kira gare su ina so wannan a sanya ra'ayoyin masu sauraro don hakan yana kara mutane kuzari. Kuma shirin da ya fi burge na gaskiya shirin muhawara ne da kuma na fada wannan da ake yi. Ai sai ni gine sa da sulai ai no go santar siya wani gin murai no go zankare nan gangai wani kaba kwarara dai no ai go ba funati. To madalla studio kalangu irin irgogo ma razama radiya kan sigine ba ne fm a irgogo ma studio kalanguwan labare labar hanniyanno labar kulkan burma istudiyo kalangu irma tabbata na kan cim kware no labaro dini dunguri yau no iga te irse irga hangan irgo mai kulki go cimo der mara mer be kan cim de studio kala ngura ina labaru tunandi kula irin mutabtan kala labaru wodi wo cim kware no assalamu alaikum ni ne mama mustafa daga nan magarya muna sauraron eh, shirye-shirye na studio kalangu wanda fm magarya ke tare take sawa suna fara daga karfe bakwai da sattar a 19 Eh oui chers auditeurs Studio Kalangu c'est aussi et surtout la grande édition du soir les journaux en cinq langues et notre forum quotidien et justement nous sommes avec euh, Nafisa Adamou Sirfo notre collègue chargé de présenter le journal en français Bonjour Nafisa Bonjour Fanta bonjour Seno Bonjour <laughs> Quels sont les grands titres de ce soir Alors aujourd'hui dans l'édition de 17h nous parlerons d'abord des travaux de validation des textes d'application de la loi minière qui se tiennent depuis ce matin à Niamey. Autre actualité que nous aborderons, c'est la question des cultures de contre-saison de la région de, Tila, de Difa, autant pour moi, qui sont menacées par des ennemis de culture. Et le magazine du journal nous amènera dans la région de Maradi pour parler du cancer. Et selon le spécialiste, on diagnostique de plus en plus de cancers chez les jeunes. Et rappelons, comme l'a dit Mokhtar dans son flash que la journée d'aujourd'hui est dédiée au cancer des enfants. Ce n'est pas tout. À 18h15 minutes interviendra le forum sur la parenté à plaisanterie animé par Mustapha Momansani Azender. Merci beaucoup Nafissa. Merci infiniment Nafissa. Nous sommes euh, à la fin de cette édition de votre euh, nouvelle émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même, Ali Moukela Ouseni, alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Issa Lawali et Adam Adawaki à l'édition. Bye bye. Ciao, ciao. Thank you.